TV la chaîne de la vérité. la présidente des jeunes filles de l'APER Dakar Plateau va mal APR est mort APR ne vit pas. Aper tant pis Dakar Plateau tant pis pour paix. Dakar Plateau maï maï nous parlons pas avec le président de la République du Sénégal nous parlons avec le président de la paix. monsieur Macky Sall Même la ñuy waxal la le président président sonn mais ñi mu nommé C'est baaxu ci seen bopp lañ fi nekk rey nañ parti bi mu c'est l'héritage de demain c'est pour nous la jeunesse APR bëgguñu mu dee APR ñu bëgg mu dund parce que jeunesse bi tey jii ñuy jàng yoo seen i diplôme xale ñu war leen a caser mënuñu am sax tey jii ñu jël leen foo xamante ne même même même pas 3 mois ñu dàq leen ay ñoo xam ne ñu ngi seen i diplôme tey jii dañuy toog 6 mois ñu dàq leen at duñu fayeeku duñu liggéey mais nag loolu jeex na tampi on parle de président de da lay yërëm da lay da yaakaar ne sax tey jii man jarul woon may dugg si pa euh, APR Dakar Plateau parce que ñun dañoo gëm président Macky Sall. c'est le président qui est né après l'indépendance. indépendance. te bi ñu ànd ak moom xàddiwuñu demuñu benn mouvement wala fenn pour ànd ak kenn ñun dañu gëm APR. gëm le président Macky Sall gëm li muy liggéey il a travaillé le Sénégal le Sénégal décentralisé il a décentralisé tout mais au plateau il y a pas de décentralisation parce que nous, mu fal fii defuñu ko dara. seen làmmiñ kese lañ yor nekk ci rajo yi ak marché bii le 22 incha allahu rabbi plateau bépp ndaw bépp jigéen nga xamante ne nekkaloon nga président Macky Sall tey na nga ñëw woo nañ la ci bis bii parce que bañu ñu ci dara parce que ñu fi teg seen bopp lañ fi nekkal ginnaaw moom ak suñu diggante ak ñim fi teg ak doomu ndawam yi nga xamante ne ñëw nekk fii ci gox bi di Dakar Plateau nekk ay voisins 2009 ba tey lépp lu mu xacc lépp lu mu dóor xàcc nañ ko ko dóoral nañ ko gisuñu dara gisuñu financement gisuñu poste gisuñu dara ñi nga xam nak ñom la takal ndombal tank fi ci dëkk gox bi nga buñu démé ci télé yi buñu démé ci média bi di wax plateau di wax les jeunes defaluñ dara jeunesse bi ñi àndoon président Macky Sall amul kenn ku ci xey amul kenn kuñ ci dooleel. Mass Diop je suis parmi les responsables jeunes de la paire plateau euh, je fais partie de la COGER Dakar Plateau en fait nous venons tout juste de quitter la préfecture de Dakar afin de déposer une demande de marche pour le vendredi 22 octobre à 15h à la, à la, place de l'obélisque. Euh, nous avons constaté une chose. Depuis 2009, nous sommes des jeunes engagés à côté de notre son excellence le président Macky au sein de l'Alliance pour la République. Jusqu'à maintenant, de 2012 jusqu'à maintenant, on constate, que, constate que les jeunes sont toujours dans la précarité. Les jeunes ne travaillent pas, les jeunes sont laissés en rade. Alors que à chaque campagne, ce sont les jeunes qui se mobilisent. Ce sont les jeunes qui, euh, très tôt le matin, envahissent les rues pour, faire, pour, pour démarrer les campagnes. Ensuite, on se rend compte que nous avons deux responsables, deux DG mais la situation est tellement, est, tellement amère, à tel point les jeunes ne travaillent pas. Ces, deux DG n'ont même pas recruté deux ou trois jeunes. Hmm. Deux ou trois jeunes. C'est Mbeye et Salou Keita. Hmm. Ce, sont, sont, ce sont ces deux DG responsables qui doivent être le relais entre la jeunesse et le président. Mais on se rend compte que depuis 2012, rien n'a été fait. C'est en ce sens que nous sommes, nous, sommes, nous, sommes lancés dans une dynamique d'abord d'alerter le président, son excellence le président Macky Parce que trop c'est trop. Des jeunes qui se sont engagés depuis 2009, des jeunes qui n'ont ménagé aucun effort pour les victoires qui se sont déroulées de 2009 jusqu'à maintenant au, sein de l'Alliance pour la République. C'est en sens que nous sommes assez engagés, assez déterminés pour mener ce combat, afin que l'on puisse respecter les jeunes, afin que l'on puisse, puisse euh, vaincre ou bien éradiquer le chômage, des, des jeunes au niveau de l'Alliance pour la République. Mhm. Pour, terminer, nous profitons de cette occasion pour dire que nous allons, nous allons rappeler son Excellence le Président Macky Sall, ses promesses tenues lors de l'audience en, 2019 euh, au Palais. vous mhm. avez promis d'aider les jeunes à travers, à, travers des postes, Depuis lors, on n'a rien vu. Donc c'est une occasion pour nous de rappeler son excellence, le président Macky Sall, de tenir ses promesses et de penser à, ces jeunes. Je termine pour, pour, dire, pour dire à ses responsables, surtout à la suite d'un penseur, penseur qui disait « Là où l'on croit le danger, il y a ce qui sauve ». S'ils pensent que nous sommes le danger, ils se trompent lourdement. Nous ne représentons pas le danger, nous sommes, nous sommes leurs jeunes frères. Donc c'est de leur devoir de nous aider, de c'est de leur devoir de nous tendre la main et de trouver une solution à, ce problème. Je vous remercie. La chaîne de la vérité.